Jeudi 8 août 2024, merci de votre, de votre, fidélité au programme du studio Kalangou. chers auditrices et auditeurs, bonjour à vous. C'est l'heure de notre émission, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno et à mes côtés, Samira Rouafi. Bonjour Samira, en forme ce matin Très bien Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Alors, qu'allons-nous euh, proposer à nos auditeurs ce matin Comme d'habitude Samira, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Dr. Zach Kari Mahamadou Mounir. Il est le directeur de l'École nationale de pétrole et de gaz de l'université André Salifou de Zander. Avec lui, nous parlerons de la dite école nouvellement créée. Dans le même numéro, nous aurons également la rubrique Éco des régions qui nous conduira à Dosso pour parler de la dégradation des routes en cette période de pluie. Il y aura également la rubrique abdo consacrée à l'éducation numérique, le loti préparé par les femmes du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif et enfin nous terminerons cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Seni et à la eh, l'édition est assurée par Adam Adawaki, autant pour moi. <laughs> Qu'est-ce que je dis là Et la technique, euh, nous avons Seini. Voilà, nous débutons cette émission avec le flash d'information qui nous est présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira Rouafi, bonjour Alice Moukela Ousseini. Bonjour. Nous débutons ce flash d'information avec euh, la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a salué hier mercredi 7 août la bonne organisation des activités de la semaine culturelle à l'ADA tenue du 26 juillet au 3 août 2024 à Niamey et de la journée nationale de l'arbre le 3 août. C'était au cours d'une audience que le chef de l'État à a accordé aux membres des deux comités d'organisation de ces événements. En les recevant, le président du CNSP a déclaré qu'il était opportun de faire venir ces acteurs qui nous, sont, qui nous ont fait vivre cette semaine qui reste un souvenir du 26 juillet au stade, tout en recevant que euh, euh, comme chaque Nigérien, on a constaté que vous avez fait un travail exceptionnel qui mérite que nous vous recevions ici en face pour vous féliciter. Selon un communiqué de la Direction générale de la protection civile, les inondations au Niger ont occasionné 77 morts, dont 34 par noyade et 43 par effondrement, 85 blessés et environ 76 000 sinistrés à la date du 2 août 2024. Ce sont 42, 42 euh, départements, 116 communes et 521 quartiers et villages qui sont touchés. On note aussi une perte de plus de 11 000 têtes de bétail, environ 13 000 tonnes de vivres et plusieurs autres dégâts matériels. Les régions les plus touchées sont Maradi avec 25 décès, suivi des Anders avec 18, Tawa avec 15, 9 pour la région d'Agadez, 5 à Dosso, 3 à Niamey et 2 à Difa. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Laminzen s'est entretenu hier mercredi 7 août à son cabinet avec le ministre algérien du pétrole et des mines Mohamed Akab en visite de travail au Niger. Selon le ministre algérien, l'objectif de la visite porte sur le renforcement de la coopération dans le domaine des hydrocarbures tout en soulignant également la relation historique qui existe entre le secteur des hydrocarbures algériens et nigériens. Nous avons présenté le bloc Kafra dans tous ses détails et nous sommes engagés de mettre tous les jalons de la réussite pour le projet afin de réaliser le délai dans le délai à t il poursuivi. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 8 août 2024. Merci bien Mokhtar, passe une belle journée. Je l'annonçais en début d'émission, nous recevons comme invité dans cette émission Dr Zakari Mahamadou Mounir. Il est le directeur de l'école nationale de pétrole et de gaz de l'université André Salifou de Zander. Bonjour euh, monsieur le directeur. Euh, bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nos échanges porteront sur cette école publique de pétrole dont vous êtes euh, le directeur. Mais avant de vous donner la parole, Monsieur Mounir, euh, je propose qu'on écoute d'abord ensemble ce morceau de l'artiste Bilal Kate, intitulé Tel une façon de mettre nos auditeurs à l'aise et de bien s'installer dans cette émission. Euh, Bilal Ket, artiste reggaeman nigérien, frappe fort avec euh, son titre Talaka, ce morceau dont le titre signifie pauvre brosse euh, un tableau poignant de la situation désespérée des démunis. Voilà, avec euh, des paroles percutantes, Bilal dénonce l'indifférence des milliardaires et millionnaires qui observent la misère sans lever le petit doigt pour aider. Exactement, c'est nous. Cette chanson est un cri de cœur contre le manque d'humanisme de l'élite fortunée et un appel à la solidarité et à la compassion. À travers Talaka Bilal Kate met en lumière les inégalités et invite à une prise de conscience collective. Mama. Voilà, c'était là le titre euh, Talaka de l'artiste Bilal Kate, tout en espérant que vous avez aimé euh, cette chanson, cher auditeur. À présent, comme prévu, nous allons nous entretenir avec euh, notre invité du jour. rebonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'école du pétrole et du gaz, l'ENPG, le e voilà, <laughs> de Zander euh, merci beaucoup. Merci. Euh, permettez-moi d'abord de remercier le studio Kalangu de nous accorder ces antennes. par rapport à votre question, l'École nationale de pétrole et de gaz de l'Université André Salifou de Zander est une école spécialisée et dédiée à la formation dans le domaine des hydrocarbures, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz notamment. Donc l'école a vu le jour à travers euh, l'arrêté numéro 050 du ministère en charge de l'enseignement supérieur mm. en date du 26 mars 2024. Voilà, donc euh, l'école euh, doit former les jeunes Nigériens dans le domaine des hydrocarbures. Donc c'était vraiment ça sa mission. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous a motivé à la création de cette euh, école, précisément vu qu'elle est toute récente pas qui m'a motivé, mais qui a motivé les ah autorités. voilà, c'est vraiment une volonté des plus hautes autorités. Je pense que eh, parler du Niger, maintenant, on ne peut pas le dissocier avec les questions des hydrocarbures. Mhm. Le Niger a des gisements Import, des, des, gisements très importants en termes d'hydrocarbures et donc c'est extrêmement important d'avoir une école. Mhm. Pour la petite histoire, au fait, les experts sont unanimes que dans tout secteur, c'est qu'il faudrait avoir un certain nombre de maillons. Mm. Vous avez par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, nous avons un ministère en charge des hydrocarbures, du mm. pétrole, si vous voulez. Nous avons une société nationale, en l'occurrence la SONIDEP. Mm. Nous avons, euh, comment on dit, un organe régulateur. le seul maillon qui manquait, c'était l'école. Alors que l'école constitue le bassin pour alimenter toutes ces instances-là. Parce qu'il faudrait des cadres. Il faudrait des cadres au niveau du ministère du pétrole. Il faudrait des cadres pour appuyer, pour accompagner la société nationale. Il faudrait des cadres pour réguler les activités pétrolières. Il faudrait des techniciens qui doivent servir dans les sociétés. Et donc, c'est vraiment, euh, on n'a pas le choix. D'ailleurs, on a un peu tardé parce que dans pratiquement tous les pays, c'est d'abord l'école, après les autres institutions. Mais je pense qu'on on a rattrapé un peu le petit retard et je pense que ce n'est que un ouf de soulagement euh, pour, le Niger qui vraiment qui veut devenir leader dans le domaine des hydrocarbures. Alors, ok, alors euh, monsieur le directeur, quels sont euh, les programmes et cursus offerts par l'UNPG Voilà, l'UNPG a défini un certain nombre de programmes de formation euh, mais vu, je parlais que nous avons, euh, l'école a vu le jour juste en, en mars, donc ça fait juste 5-6 mois. Donc, et nous voulons, nous voulons commencer de ce, de ce septembre-là. Donc, pour ce mois de septembre, nous avons arrêté deux offres de formation. Nous avons euh, le programme en exploitation, et exploration, exploitation des hydrocarbures. Donc, c'est que nous avons appelé département EEH et nous avons euh, le raffinage, enfin, pas le raffinage, le génie des procédés pétroliers, c'est qu'on appelle le GPP. Donc nous avons ces deux-là pour le moment, parce qu'il faut commencer et on ne peut pas, tellement il y a de défis, il fallait commencer par quelque chose. Et quelle est la durée euh, des diplômes Mais ce que je voulais d'abord savoir, c'est quels sont les diplômes qu'on peut avoir euh, là-bas à l'école des gaz et Ok, les diplômes sont, euh, nous avons l'offre de formation, nous avons la formation de trois ans, c'est que couramment nous appelons licence, donc le, pour les bacheliers. Trois ans après, ils vont être détenteurs de licence. Pour les, ceux qui ont déjà la licence, nous avons le parcours master. Mm. Donc, nous avons, si vous voulez, eh, l'ingénieur, parce que nous, dans le langage des écoles, on parle généralement de technicien supérieur ou de bachelor, donc qui, correspond au grade de licence. Et nous avons pour la formation ingénieur, donc qui permet de donner le grade de master. Alors, euh, quels sont les, prérequis pour intégrer les différents programmes que vous venez de, notifier Voilà. Pour les prérequis, donc nous avons deux niveaux. Pour le niveau licence, c'est que c'est ouvert aux techniciens, enfin aux bacheliers euh, scientifiques, euh, bacheliers techniques et bacheliers professionnels, enfin certains types de bacs professionnels. Donc notamment, je parle là pour les bacs scientifiques général, nous avons le bac D, le bac C, le bac E. Maintenant, pour le bac euh, technicien, nous avons le F, notamment le, bac F1, le bac F3, le bac F4. Et maintenant, pour euh, euh, le bac professionnel, nous avons un lycée professionnel qui, a, qui forme dans le domaine du pétrole, ce qu'on appelle industrie pétrolière. Mm. Donc, pour ces différents types de bacs, ils auront, ils peuvent accéder à l'école. Maintenant, pour le niveau master, donc le niveau ingénieur. Là, il faut être détenteur d'une licence, généralement les, licences fondamentales en maths, physique, géologie, en tout cas toutes les disciplines qui permettent quand même d'avoir, euh, euh, si vous voulez, un background pour mm-hmm. pouvoir euh, intervenir ou bien pour pouvoir suivre un cursus dans le domaine des hydrocarbures. D'accord. Jusqu'à ce jour, j'ai une question, c'est est-ce que mm-hmm. jusqu'à ce jour, vous avez pu libérer combien de promotions depuis la création de l'école L'école, l'école, si vous voulez, c'est vraiment une création. Nous voulons commencer en septembre. Voilà. Au fait de, comment on dit, de mars, à maintenant, c'est juste maintenant, ça fait cinq euh, mois, maintenant nous sommes vraiment dans les processus, des, les offres de formation euh, et tout ce qui est, si vous voulez, instance pour pouvoir que l'école, euh, à la rentrée prochaine, qu'on puisse démarrer. Donc vraiment, nous sommes au stade de démarrage. Merci, docteur. Euh, avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause musicale pour écouter la deuxième chanson de notre sélection du jour. C'est parti avec euh, le titre talibisé du groupe Block Bloc enfants qui un message aussi à l'égard de ses parents négligents, ignorant le plan familial. Quand vient la pauvreté, ils s'exilent, ou les donnent aux marabouts, qui les poussent dans les rues, qu'ils décœurent. Block un screw, lève la voix et vous en parle une fois de plus. T'as les bisanos, sans amis, sans famille. T'as les bisanos, manger au mandi. T'as les bisanos, avoir qu'il est pas habitué. T'as les bisanos, là, là, y'a pas, y'a pas mou. T'as les bisanos, sans amis, sans famille. T'as les bisanos. J'ai blessé kiasi baba sirkani adosi alwatikul igogahe hinawosi yarataka na almajirai a taimake su a tattale su jirani ce ga yan uwa na da Allah a daina babanta su wai talibi sabi san fami talibi zano C'est un titre poignant du groupe de rap nigérien Block Escrew qui aborde la dure réalité des enfants mendiants dans les grandes villes du Niger. À travers des paroles crues et authentiques, le groupe dénonce la situation déplorable de ces enfants, souvent envoyés dans les rues pour mendier au lieu d'être à l'école coranique. oui, la chanson met en lumière euh, les abus et l'exploitation dont ils sont victimes tout en appelant à une prise de conscience collective. Block Escrew utilise la musique comme un moyen de sensibilisation et de plaidoyer pour euh, les droits de ses enfants, espérant susciter des changements positifs euh, dans la société nigérienne. Talibisé est non seulement un cri de détresse, mais aussi un appel à l'action pour euh, protéger et éduquer ces jeunes vulnérables. Bisées chanté par le groupe euh, Bloc Escro. De retour au studio pour retrouver notre invité, docteur Zachary Mahamadou Mounir. Voilà, pour ma question de tout à l'heure qui était restée en suspens, c'est parce que euh, je connais l'existence d'une école, d'un département euh, consacré au pétrole à Zender. Effectivement, Samira, euh, au niveau de l'université André Salifou, notamment au niveau de la composante IUT, l'Institut universitaire de technologie, il y avait un département, euh, département euh, technologie en génie pétrolier qu'on mm-hmm. appelle TGP. Maintenant, le département, ça fait quand même presque une dizaine d'années, mm-hmm. formé en deux UT, donc le bac plus 2, diplôme universitaire de technologie et les licences professionnelles. Voilà, donc maintenant vu, vous voyez, un département reste un département. En mhm. termes de, euh, si vous voulez, de dimension, c'est quand même une petite cellule, alors qu'une école devient plusieurs, euh, c'est plusieurs départements qui forment euh, une école. Est-ce le département qui a été transformé en école spécialisée Voilà, au fait, c'est un processus. L'école mhm. absorbe le département. Ça veut mhm. dire qu'on part nous avons un point d'appui, on s'est appuyé à partir du département. Mm. Mais maintenant, tout à l'heure, euh, je pense que vous m'avez demandé au niveau des offres de formation. Par exemple, maintenant, le département se limiter juste au bac plus 2, mhm. alors que nous, nous avons le bac plus 2, et le bac plus 3, mhm. et le bac plus 5. Mhm. Et mieux, au lieu d'un seul département, maintenant nous avons jusqu'à six départements qu'on avait définis. Mais je disais que pour le démarrage, nous avons un départ, département d'exploration, exploitation pétrolière, un département de, eh, eh, eh, génie des procédés pétroliers. Voilà les deux départements qui vont commencer pour le pour la rentrée prochaine. pour la rentrée de septembre, là, de quelques semaines. Donc, pour, les pour la licence, mais aussi pour les ingénieurs. Mm. Pour la licence, c'est, si vous le permettez, hein, c'est un tronc commun d'une année. Et après, ils vont se spécialiser soit en EEH, mm. soit en génie des, euh, génie des procédés pétroliers. Mais pour les masters, chaque département a aussi des options. Par exemple, pour le EEH, si vous voulez, exploration, exploitation des hydrocarbures, nous aurons une option, donc pointue, si vous voulez, ce qu'on appelle en production pétrolière et exploitation pétrolière. Hmm. Alors que pour l'autre département, le génie des procédés, nous aurons la pétrochimie, mhm et nous aurons le raffinage. Donc vous voyez, ça fait aussi déjà des déclinaisons, mhm, mhm. ce qui permet que c'est vraiment, il faut une école pour avoir toute cette envergure. Pour la formation niveau licence, euh, tout à l'heure vous avez dit euh, que euh, ceux qui veulent intégrer doivent avoir un bac D, bac C et bac E notamment. alors, après, après l'obtention du, bac D par exemple, est-ce que, quels sont maintenant les critères de sélection voilà, merci pour votre question. Pour les critères, au fait, euh, au niveau de l'université André Salifou, cette année, nous avons commencé la préinscription en ligne. Voilà, donc c'est mhm. vraiment via le site, la plateforme, nous avons une plateforme. Mhm. Donc la plateforme donne toutes les informations. Et pour euh, la petite euh, parenthèse, à la date du 4, nous avons presque 3000 demandes de bacheliers. Mhm. Pour dire c'est vraiment le top top c'est le top top, 3000 candidatures. Eh, est-ce que c'est déjà clôturé et la clôture, c'est encore euh, le, 15. Donc, il reste une bonne semaine. Et vous pouvez partager peut-être euh, le lien <laughs> ou bien, je ne sais pas, la page euh, ou le plateforme. Avec nos auditeurs, certainement, il y a des, il des, nouveaux bachelors qui seront voilà, intéressés. Voilà, dès que vous rentrez, vous mettez UAS. UAS, c'est l'Université André Salifou. Mhm dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver le lien mm. et vous allez avoir toutes les informations par rapport à la procédure. Mm-hmm. Docteur Mounir, est-ce qu'on peut ainsi dire que vu que le département maintenant, il y a plus une école spécialisée pour ça, est-ce que ça offre euh, plus d'ouverture en perspective pour les emplois Plus d'opportunités, plus, de plus de perspectives et plus de, de caractères assez pointus. Mm. Voilà, donc ça, ça donne vraiment des spécialistes par exemple, quand on dit le raffinage, mm. ça c'est vraiment un aspect pointu des hydrocarbures. Mm. Quand on prend par exemple de la pétrochimie, si vous avez suivi euh, son Excellence le chef de l'État, on mm. parle d'un complexe pétrochimique à, Dosso. Voilà. Et donc, tout ça, là, c'est qu'il faut avoir des techniciens assez pointus, des techniciens de qualité. Mhm. Ce qui m'amène à ma seconde question. Est-ce que euh, l'école, euh, a, des partenariats avec des entreprises dans le secteur pétrolier ou gazier dans d'autres pays ou bien ici pour permettre le stage et faciliter surtout le stage des apprenants Effectivement. Au fait, au fait dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la co-construction. Donc la co-construction des programmes de formation. Mhm. Donc la co-construction entre l'université, donc l'école et les entreprises. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'approche par compétence. Si un étudiant ou un apprenant ou un technicien doit savoir, par exemple, faire euh, le montage, comme nous sommes dans un studio, quels sont les fondamentaux qu'il devrait avoir. Et généralement, on associe vraiment ceux qui sont sur le terrain, donc les entreprises, les sociétés qui sont nos partenaires d'office parce que ce sont eux qui sont pour nos stages, pour absorber nos étudiants, pour que nos étudiants puissent se trouver. Parce que la formation, ce n'est plus une formation fondamentale, c'est vraiment une formation pratique. Mm. Et donc, ça fait en sorte que nous avons, si vous voulez, l'immersion. Il mm-hmm. faudrait, après le cours, il faut aller dans, sur, le terrain, voir comment ça se passe. Mm-hmm. Parce que le défi, c'est quoi Nous voulons former eh, des techniciens d'élite. Ce n'est pas une formation de masse. Nous voulons vraiment former des élites pour faire en sorte que dans les prochaines années, vraiment le, vœu des autorités qu'on ait pratiquement dans tous les segments des hydrocarbures qu'on ait des Nigériens. Voilà, parce que euh, actuellement ce n'est pas ça. Quand mm. vous allez voir, il y a des il y a des spécialités, pratiquement, on n'en a pas. Mhm. C'est vraiment des non-nationaux qui sont là. Et donc, il faut vraiment changer la tendance, il faut inverser la tendance. Et pour cela, il faut avoir ce partenariat-là mhm. entre nous et, avec, euh, les entreprises. Super. Alors, euh, ici, souvent, nous le savons tous que les étudiants souvent font face à des difficultés de disponibilité des laboratoires. Est-ce que l'école dispose-t-elle euh, des laboratoires spécialisés pour la recherche et l'innovation dans le domaine du pétrole et du gaz euh, L'école, l'école, je répète encore, l'école est une création. Mhm. Nous allons commencer en septembre. pour l'instant, il n'y a pas de laboratoire Pour l'instant, au fait, il n'y a pas, si vous voulez, le génie civil, euh, quand par exemple Studio Kalangu prend un peu toute son équipe, allez filmer, vous n'allez pas trouver ces choses-là. Voilà. Mm. Pour toute chose, il faut avoir un début. Au fait, les autorités, on a le choix, soit attendre jusqu'à ce qu'on ait tous ces investissements qui mm. sont lourds mm-hmm dans le domaine du pétrole, les choses vont très vite, la technologie est assez pointue. Mhm. S'il faut atteindre tous ces investissements, on ne va pas démarrer dans deux ans, dans trois ans. Mhm. Voilà. Mais on peut quand même, généralement, les premières années, ce sont les sciences fondamentales, ce sont les maths, les chimies, les biologies. Ça, il y a quand même de quoi faire ça. Mhm. Maintenant, avant d'arriver en deuxième, troisième année, là, quand même, nous sommes, les autorités sont en train vraiment de mettre les bouchons doubles pour pouvoir euh, relever le défi. Voilà, pour finir, pour ne pas trop abuser de votre temps et de piétiner notre programme également, quel impact positif votre institution, votre école espère-t-elle avoir sur l'économie et la société nigérienne à long terme Voilà, l'économie, je pense que quand vous prenez, si vous voulez, les ambitions, le Niger, si nous avons une richesse, je pense que parmi les richesses les richesses, la richesse sur laquelle nous comptons, nous avons par exemple cette question du pétrole. Mm. Vous avez le président de la République, son Excellence Abdraman Chani, dans son message du 25, 25 juillet, a parlé de cette école. Juste après le 2 août, il a parlé, il a pris une ordonnance, l'ordonnance relative au contenu local. Voilà, dans le secteur minier et pétrolier. Tout ça, c'est parce que et vous savez aussi que notre ambition, c'est de passer de 20 000 barils jour actuellement mhm. à plus de 100 000 dans les prochaines années. Mhm. Donc, ça veut dire que l'impact, l'impact est énorme. Sur le plan économique. Économique, mhm. social, voilà, sur tous les plans environnementaux, sur tous les plans, je pense que les choses, les défis sont énormes. Et je pense que l'école ne peut que relever ces défis. Alors, merci infiniment, Monsieur le Directeur, d'avoir euh, répondu non seulement euh, à l'invitation, mais surtout d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous souhaitons vous revoir bientôt pour plus approfondir avec l'ouverture de l'école et tout ça euh, mais pour le moment, passez une très belle journée. On se dit à très bientôt. Merci infiniment. Excellente journée à vous. Faisons une petite pause pour reprendre juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et comme nous sommes jeudi, nous allons parler de l'éducation numérique, n'est-ce pas nous? Oui Samira, aujourd'hui dans notre chronique éducation numérique, nous allons parler d'une vidéo qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit Emmanuel Macron embrasser l'un de ses gardes du corps. Mais attention, cette vidéo est-elle authentique pour euh, en savoir plus, euh, nous, accueillons Ousmane. Il est rédacteur en chef euh, adjoint au numérique studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Bonjour Seno, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, cette vidéo a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors au Niger, moi, je l'ai vu beaucoup circuler dans des groupes WhatsApp. Je l'ai vu plusieurs fois avec la mention transférée de nombreuses fois. Mais après vérification, on voit qu'elle a été en réalité générée par une intelligence artificielle. Euh, quelles sont les, preuves qui nous permettent d'affirmer que cette vidéo est truquée alors d'abord, le trucage, est vraiment assez grossier. C'est à vue d'œil, on remarque. Alors des internautes l'ont même euh, rapporté plusieurs fois dans la section commentaires de différents réseaux sociaux, dont TikTok. Alors euh, la première chose vraiment à noter, et que cette vidéo présente plusieurs anomalies. Par exemple, au début de la séquence, le garde du corps saisit le poignet du président avec sa main droite. Mais ensuite, on voit clairement que sa main reste attachée au poignet du président alors que son bras devient un moignon. Donc son bras à un moment disparaît et par moment on voit la main qui change de forme. Elle bouge comme une vague d'eau. Une autre anomalie aussi qui est visible est un trou qui apparaît et disparaît sur le côté droit du ventre du président euh, français lorsqu'il embrasse le monsieur entre griffes. On voit aussi que l'arrière-plan de la vidéo également s'anime de façon euh, assez inhabituelle. Alors l'arrière-plan, c'est tout ce qu'il y a derrière les personnes qu'on voit au premier plan. C'est des roches, c'est des bouts de, du bateau. Alors tous ces détails sont vraiment des indices typiques d'une génération par intelligence artificielle. Mais d'où vient cette euh, vidéo alors alors la vidéo semble avoir été générée à partir d'une photographie bien réelle qui a été publié par le magazine euh, People Voici, comme l'ont vérifié des médias en France. Apparemment, c'est un magazine français. Donc cette photo montre un homme tenant le poignet d'Emmanuel Macron et a été détourné pour créer cette scène fictive. Alors, elle a été détournée comment En utilisant des logiciels d'intelligence artificielle qui peuvent facilement animer une image fixe et créer une vidéo qui semble réaliste. Alors, des outils comme ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup trop qui sont de plus en plus facile à utiliser et prendre à main. Donc si je comprends bien, des internautes ont partagé cette vidéo en croyant qu'elle était réelle. Exactement, et ce malgré les nombreux commentaires euh, signalant que la vidéo avait été truquée. Beaucoup d'internautes ont malheureusement été trompés. Quels sont les risques de ce type euh, de désinformation Alors, les vidéos générées par, euh, et même les photos hein, générées par les intelligences artificielles peuvent être très très convaincantes et induire en erreur beaucoup de personnes. Elles peuvent alimenter des rumeurs, des théories du complot et nuire à la réputation des personnes qui sont impliquées. Il faut donc, euh, à notre niveau, que tout le monde soit vraiment vigilant, euh, de vérifier ses sources et de rester vraiment très, très euh, focus face à ce type de contenu. Merci beaucoup, Ousmane, pour ces éclaircissements. Merci, Seno. À la semaine prochaine. C'était la rubrique hebdo éducation numérique prenant encore une courte pause en musique avec cette chanson Is Life de l'artiste Hamdi Malin. your vibes. calme Music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. hana Yinta yana sawa in daɗi, yana sawa ni nishaɗi. Dole ne yin faɗi, music banda kamanki, kuma bani fata na barki. Tunda kin zama mun mai ɗaki, karbi zuciya ta na baki. Hey, bani fata na barki, tunda kin zama mun mai ɗaki, karbi zuciya ta na baki. wajen waye kan al'umma tana kira mu dana faɗa mu zama guda ha abada tana jan hankalin mu wajen nema na kanmu ya ta yi eh wallahi waka ta yi wajen shawo kai tana hana sai da bayi kyaukyawa sunanta kada ka guje ta nemi ka santa kafin ka tsangon wayinta Et eh oui, Music is my life de l'artiste Hamdi Malam est une ode puissante sur les vertus de la musique. Dans cette chanson, Hamdi Malam célèbre le rôle éducatif de la musique, soulignant comment elle peut enseigner et inspirer. Il partage également des témoignages personnels sur euh, la manière dont la musique a enrichi sa vie en lui offrant euh, un refuge une source de motivation et un moyen d'expression. Et tu sais, sinon, ce qui me plaît dans cette chanson, chaque note, chaque parole résonne avec une sincérité palpable, rappelant à l'auditeur que la musique est bien plus qu'un simple divertissement, elle est une force vitale capable de transformer des vies et de renforcer les liens humains. Et oui, place maintenant, c'est nous à l'écho des régions. Oui, Samira, le reportage en région de ce jour euh, nous amène à Dosso pour parler de la dégradation des routes dans la ville de Dosso. Chaque année, la commune urbaine de Dosso fait face à des défis majeurs durant la saison des pluies. L'état des routes se dégrade fortement, rendant les différentes voies impraticables. Nous proposons de suivre le reportage de Nana Hadiza Hassan sur le sujet rendu La commune urbaine de Dosso, à l'instar de nombreuses autres zones urbaines et rurales du Niger, fait face à des défis considérables durant la saison des pluies. En effet, les fortes précipitations de ces derniers jours ont occasionné des inondations, rendant les routes impraticables. Cette situation impacte non seulement la mobilité des habitants, mais également l'accès à des lieux importants comme le marché. Oumarou, un résident local, et Abdurrahman, un conducteur de taxi-moto, expriment leur mécontentement sur l'état des routes. Ça fait pratiquement plus de 26 ans que je vis ici à Dosso. Aujourd'hui, pour circuler de la ville de Dosso, il faut faire un choix entre les routes. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Sont un appel vis-à-vis de la mairie de Dosso de fournir d'efforts, plus d'efforts, nager ces routes, et aussi de fournir d'efforts dans la canalisation des canaux d'évacuation. C'est au fait dit à ça que l'eau ne parvient pas à s'évacuer. Cela fait environ 7 ans que je suis conducteur de taxi-moto et nous rencontrons diverses difficultés liées à l'état des routes. Il y a par exemple des plaques d'eau partout, certaines voies sont dégradées et impraticables. Notre souhait est de voir ces routes réparées. Et je conseille à mes collègues d'être très prudents sur les routes, car les gens ne sont jamais sûrs à 100%. L'administrateur délégué de la commune urbaine Dosso, Ibrahim Moussakouré, espère explique les raisons de la détérioration des routes et adresse un appel aux habitants. Nous sommes actuellement en, bon milieu de la saison des pluies. Vous que qu'à dessous, on a moins de problèmes coulement d'eau. Et tout le monde le dit. Il n'y a pas un seul quartier où la mairie n'est pas passée pour curer. On a fait reculage sur plus de 5 km dans la ville de Dosso. Il y a beaucoup de quartiers qui sont un peu sur la voie de l'eau. On essaie quand même avec le peu de moyens qu'on a d'essayer de remblayer un peu et d'ouvrir un peu le voie d'accès au quartier. Et on ne va pas s'arrêter. C'est un travail qui est continuel. On va le faire jusqu'à la saison des pluies. Sûrement que d'autres dire, jusque-là, nous, n'avons pas vu la tête chez nous. Ils vont la voir, elle va venir vers elle, la tête va venir vers elle. Il n'y a aucun problème, on va continuer ce travail-là. On l'a déjà commencé, on ne va pas s'arrêter. Alors, de la population, d'abord, c'est de nous aider à les aider, c'est-à-dire payer les impôts, payer les taxes pour que la mairie puisse travailler. En somme, la sensibilisation et l'implication de communautés locales dans l'entretien des routes constituent des éléments essentiels pour une gestion durable des infrastructures routières. Voilà, c'était un reportage de Nana Hadiza, sans rendu au studio, je le disais, par Mariam Adé. Attaquons à présent le sport, c'est nous. Oui, Samira et notre chroniqueur euh, sportif du jour, euh, Gourouza est déjà prêt. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Myriam. Bonjour. Alors, euh, Gourouza, la troisième édition du TGV de Kwartedi a débuté depuis quelques jours, nest oui, pas c'est l'enceinte du 16 de Kwartedi qui a accueilli ce tournoi des grandes vacances le but de ce rassemblement est de réunir des jeunes de Quartier autour du ballon rond dans un esprit de fair play, de cohésion sociale et surtout découvrir des jeunes talents au sein de Quartier. Au total, 12 équipes sont engagées dans la compétition, reparties en trois poules qui vont se frotter pendant 25 jours. Voilà, maintenant quittons le football pour euh, un autre sport, plus précisément la pétanque. La ville de Madawa a accueilli un tournoi euh, de ce sport qui a pris fin dimanche dernier. Oui, Samira, en effet, euh, c'est la première édition hein, de la Coupe nationale de l'indépendance et c'est la Ligue régionale de la Féniboule qui a organisé cette compétition regroupant les joueurs de Zender, Maradi, Agadez, Dosso, Niamey et Tawa, région haute. Juste après la fin de cette euh, compétition de pétanque, notre correspondant Hamza Noumaou a interrogé Idrissa Seydou Ditola, vice-président de la Ligue de Tawa. Nous l'écoutons. Cette coupe a regroupé 79 équipes, ce qui n'a d'ailleurs jamais été fait et on a battu le record dans toute l'organisation d'une coupe et en plus de cela, on a accueilli presque 300 personnes qui ont passé 48 heures en train de faire vivre la pétanque euh, ici à Madawa. La pétanque c'est un jeu qui se joue à trois ou bien à quatre partenaires tout dépend de la compétition. Au finish, on a deux bonnes équipes qui se sont croisées en finale. Il y avait l'équipe du club Liberté de Niamey et l'équipe de Zander. Donc à la finale, euh, le score était de 13 à 6 en faveur de l'équipe de Niamey qui ont éventuellement réussi un prix, une enveloppe de 350 000 et une coupe. Donc le deuxième a reçu aussi une enveloppe de 250 000. Et en plus du grand concours, parce que c'était sondé en deux concours, il y a le grand concours et, la consolante. Et cette consolante est un concours qui, comme son nom l'indique, qui console tous les joueurs qui ont eu leur match au premier tour de la compétition. Oui, euh, voilà, c'était là Idrissa Seydou du Tola, vice-président de la Ligue de Tawa. Euh, Gourouza, avant de clore cette page sportive, pour, euh, nous allons à Paris pour le JO où le Maroc et l'Égypte vont à la recherche de la médaille de bronze du tournoi de football masculin. Oui, sinon la rencontre aura lieu aujourd'hui même dans la ville de Nantes en France. Mais quelle que soit l'issue euh, du match, c'est l'Afrique qui gagne car la médaille bronze sera africaine. Demain, la France, pays organisateur des JO, affrontera l'Espagne en finale pour la médaille d'or. Côté dames, pour euh, la médaille de bronze, la rencontre aura lieu demain, 9 août 2024, entre l'Espagne et l'Allemagne. Quant à la finale dames, elle aura lieu le 10 août entre le Brésil et les États-Unis d'Amérique. Voilà pour le sport d'aujourd'hui à demain. Merci Gourouza, merci infiniment pour euh, toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, euh, à présent, attaquons la rubrique Portrait du jour. Voilà la rubrique Portrait du jour qui nous conduit dans le village de Danja, de la commune de Giratawa, région de Maradi, pour parler d'une jeune fille âgée de 18 ans, Nadiratu Garba. Elle, est, elle a commencé, euh, elle a comme activité elle a comme activité, excusez-moi, génératrice de revenus, la production d'huile d'arachide dans un centre dénommé Bawasa. On écoute son portrait. Nadiatu Garba matashia matashiya da college mai aikin hidda mai gujiya a aiki mai sunan Bawasa Garindanja, da garin danja hukuman jiratawa da take maradi rana Nadiratu tana zuwa aikin inda take sarrafa man gushiya tare da sauran matan garin ta dalilin da aikin da take yi tana samun abun buɗe bukatunta har ta taimaka ma iyayenta. aiki na wanda nake yi mambar aikin mai muna sarrafa mai na gujiya. Yanzu da can ba mu san menene aiki ba sai dai in mun ta yi eh, mun dawo mu dawo gida mu ɗauko kanye mu yi karatu in mun gama motai mai kwanti sai yanzu aka kawo mana wannan kungiya wadda ba mata ba 'yan mata muka zo muka shiga muke aiki idan muka taso sai mu zo ne mu yi aiki tare da uwayenmu kakanninmu sai mu zo mu yi aiki a wurin amfani ɗari bisa ɗari an goda Allah tunda muna ci hamma a tallafa ma wasu kenan an samu amfani ɗari bisa ɗari kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana tallafi ɗari bisa ɗari mu samu a ce yau a cikin Nijar komin ɗin jiratawa shine gaba shine mun ƙara cimma Nadira Nadiratu kullum tana a shirye da ta yi aiki koya ma wasu aikin da ta iya yamma ko wata mace da suke aiki tare tana yabonta. Gaskiya masha Allah akwai ƙoƙari ga Nadira kuma akwai ladabi da biyayya. suna bin na gaba gare su eh duk aikin da muka gaya musu suna zuwa a yi tare da su muna yin aiki tare da su babu bata lokaci gaskiya aikin mu tare da matasa alhamdulillah tunda dai duk abin da muka ce masu su yi suna yi da mu da su alhamdulillah ba ganin lahanin juna kowa yana kamna kowa ɗari bisa ɗari muna hallara tare da su mu zo mu yi aiki ana wasa da dariya wannan matashiyar gurinta ta ga aikin nata ya ci gaba tana kira ga 'yan uwarta mata su yi koyi da ita domin bunƙasa ci gaban yankin nasu muna sawo gujiya baitin wadda ke da kwai a ƙara samun gujiya a yi mai da ita kenan arziki yana ƙara bunƙasuwa kenan an samu tallahi da dama da kaɗan ne amma yanzu masha Allah ana da shi da yawa Voilà, c'était là le portrait de Nadira Garba Danja réalisé par euh, Oumu Umaru. Bouclons euh, notre sélection musicale d'aujourd'hui avec euh, ce titre Hansi Mutua de l'artiste Mahmoudou Abdul Salam. por quem massage Ina por quem massage Ina por quem massage Gatan tá gatan ku tajeta tá kumu Gatan gatan ku tajeta kumu Gati na tenga ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce hmm. amma wa gazuwa hatsin mutuwa ne amma wa gazuwa gurin mutuwa ne amma wa gazuwa gurin ta ya karba amma wa gazuwa gurin ta ya ramta wani ƙauye a Nijar. Yunwa suke da gari da yunwa gari da yunwa gabas da yamma. Gari da yunwa gari da yunwa guzun arewa. Amma wa ga zuwa gurin mutuwa ne. Amma wa ga zuwa gurin ta yake da babbar magana ce magana cikin magana l'artiste Mahmoudou Abdusalam. Passons à présent au loti du qui nous édifie sur l'utilisation de l'encens. Oui, l'encens est un produit très apprécié et très utilisé par les femmes ici au Niger. C'est un produit utilisé pour donner une odeur agréable à nos intérieurs de maison, nos habits et même notre corps. Néanmoins, il est conseillé d'utiliser l'encens avec modération car la fumée qu'il dégage pourrait nuire à la santé. Alors comment s'y prendre Écoutons les femmes du studio Kalangu dans la rubrique Loti. Affaire affairage, Affaire affairage. le poisson comme ça. Ou bien tu n'as pas bien lavé la serpillère. Si, tanti. Hum. Apporte-moi vite un peu de braise pour mettre des l'encens. Comme toi, tu ne sais pas les faire. Tanti, je voulais le faire après ma lessive. Hé, donne-moi juste ce que je t'ai demandé. Mhm. Voilà, ça commence, c'est bon. Je retrouve enfin mon salon. D'ailleurs, je rajoute encore. Zoéra, viens m'augmenter des braises. Tanti, c'est beaucoup, hein. Il y aura trop de fumée, ça rentre même dans mes yeux. Est-ce que ça te regarde Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh ma cocotte, qu'est-ce que tu fais sous ce soleil ardent Je fais une course, ma chérie, dans le quartier et j'ai voulu te faire une surprise. En tout cas, c'est réussi. Comment tu vas Et ta famille Le boulot Alhamdulillah, tout va bien. Et de ton côté Ça va aussi très bien. <coughs> Mais ma cocotte, ton enceinte là, <coughs> Mais tu as mis de trop. Tu vas nous asphyxier. Non, ça ne fait rien, toi aussi. C'est toujours comme ça que j'aimais mon ensemble. Comme ça, ma maison sentira très bon toute la journée. N'incrimine pas mon ensemble pour tout J'espère seulement que ce n'est pas Covid que tu m'as amené. <coughs> <coughs> Et eh, tu vois là, moi la tout là, ça m'empêche même de m'exprimer. <coughs> Là, c'est trop, c'est trop, ma chérie. Non, non, non, c'est la fumée seulement. Je pas la Covid. Mais toi, tu ne sais pas que la fumée un dégage de l'air des substances toxiques pour l'organisme, des particules fines, nocives pour les voies respiratoires et les poumons. Habakyoko. Ah <laughs> Tom, tu recommences avec tes histoires à dormir debout là, madame la connaisseuse. Hé, eh, écoute, c'est très dangereux de faire ça, surtout qu'il il y a des enfants dans la maison. Ils sont plus fragiles que nous. Les femmes mettaient de l'encens depuis la nuit des temps. Nos mamans aussi. Et personne n'en est mort. Ne parle pas comme une ignorante, s'il te plaît. Tu sais, l'encens là, c'est des morceaux de bois avec des produits synthétiques. Deux que ça rentre en contact avec le feu, des substances toxiques sont émises dans l'air et nuisent à la santé. Hum, madame la scientifique. Hé, ma chérie, attends. Je te raconte une histoire. Tu connais ma voisine chic chic là Celle qui met l'encens matin et soir, midi. Pire que toi Ah oui Elle sent toujours très bon la dame là. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est elle. Voilà, tu as bien compris. Elle est présentement très malade, avec des problèmes respiratoires chaque fois. Subhanallah Elle avait l'air bien en forme. Selon sa famille, les médecins lui ont indiqué c'est qu'elle a humé beaucoup de fumée et ses poumons n'ont pas pu supporter. Elle fumait chicha donc Pas du tout. C'était à cause de son enceinte. Et aujourd'hui, elle n'utilise plus ce genre de parfum. Mon Dieu, comment je vais faire pour que ma maison sente bon alors Tu sais, il n'est pas dangereux d'utiliser l'encens, à condition de l'utiliser avec modération. Si je comprends bien, c'est quand on abuse que c'est dangereux alors. Tu as bien compris. Quand une maison est propre et bien entretenue, pas besoin d'enfumer les gens, vraiment. Les sang brûlées sur de la cendre chaude Dégage moins de fumée que si les brûlé sur des braises vives. Aïe bien la pièce pendant et après la combustion. C'est la petite fille manga qui te parle, ma chérie. <laughs> Toi, d'accord. Merci pour tes conseils, la petite fille manga. Zouera, viens prendre l'accessoire là. Je ne vais pas rendre mon mari et mes enfants malades pour rien. Tanti, je vous avais dit que la fumée était beaucoup, non Eh, quitte là-bas. mesdames pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en full full Ça sera avec Ali Momoni Niali, journaliste traducteur en langue full au studio Kalangu pour le mot de la semaine qui est indépendance. Bonjour Niali. Bonjour euh, Samira. Bonjour Seino. Bonjour. Effectivement, comme vous l'avez noté, chères auditrices et auditeurs, notre mot du jour pour la culture linguistique d'aujourd'hui, ce jeudi, est indépendance. Ce mot a été expliqué, c'est un rappel en anglais, en français, en german hausa et aujourd'hui nous l'expliquerons en fulfulde bandiraɓe barkiniɓe kettinaniɓe sigilaji studio kalangu et niger sur kalangu Coridjan weti e moɗon on jaɓɓama dow sigila amin niger sur kalangu de kongol na en kongi der faransire et fulfulde kongol meɗen un ngol enɗen ni gol nantinten alkamisa o enɗen kan woni indépendance asawe tati lewru ut hitan du ujunaɗi ɗi ellaso e, e nayi ɗum waɗi batu niger heɓtude maral hoore muɗum leydi na neɗɗo heɓta maral hoore muɗum kan woni indépendance o enden nder france syrie kandu woni fa handen leydi na neɗɗo o enden ni wawa ƴewtinade ko nafa ɗum ko waɗa ɗu ni fa handen waɗana hoore muɗum yaadu yeeso heɓo heɓa weltare ko tawe duni fa handen wala no tilsine neɗɗo o na leyditi anda misali pelle hawta gollididde leyɗe na hawta gollididde himɓe pelle dunum fa handen ɗe bawi tilsinde leydi na neɗɗo waɗude koɗe giɗi nder kolngol heɓtude hoore muɗum golende nduni fa handen leydi jaɓata tilsine tokka laabi goɗon nde raɓɓinol haala indépendance na mbiyen heɓtude maral hoore muɗum kan woni dawrande hoore muɗum nder ko waɗa yaadu yeeso heɓo heɓa duni fa hande weltare himɓe mayri nder juuɗe mumen hawju jawdi e leydi ndi andan e ko nandi titta fuu tawte kamɓe dow jeey dawrande hunde fuu Voilà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Niali. Merci Niali, à bientôt. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Euh, vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. suna na mummuna aminu ladi da ke nan garin ciro auditor ne mai shaurara studio kalangu game da tashar radio azuru gaskiya ina jinjina musu dangance da irin kokarin da suke bada zowar kalangu cikin nijar alhamdulillah tabarakallah yanzu kowace radio ta kama jikin yana da auditor mihi yawanci wanda ake shauraron sa gaskiya studio kalangu a yadda muka dauke da tabarakallah akwai labaru tsantsanta na cikin gida masu kayatarwa kuma gaban na a yadda muke so studio kalangu ta bada himma tana da auditor sosai wanda suna shauraron ta ni ina son shirye-shiryen studio kalangu ballantana ma ran weekend in ji labarin matasa in ba studio kalangu ba ake yin labarin matasa duk wani matashi na niger in kana sauraron studio kalangu ka ji labarin shi Voilà, chers auditeurs, euh, vous pouvez nous envoyer, continuer à nous envoyer vos messages vocaux au 82 89 89 64. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Colongo. Vous étiez en compagnie d'Ali Ousseini et de moi-même Samira Wafi. Euh, on prend rendez-vous demain pour un nouveau numéro. La technique était assurée par Seini Isaka et à l'édition, c'était tout simplement la grande dame Adama Dawaki. Excellente journée à tous. Bye bye. Bye bye.